le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont la réunion vendredi 3 juillet 2020 du Conseil national du dialogue politique et la synthèse de la réunion faite samedi 4 juillet par le Premier ministre Brigitte Raffini. En seconde position, nous parlerons du régime mardi 7 juillet par la Cour d'appel de Niamey de la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats des acteurs de la société civile nigérienne Moudi Moussa, Michael Zodi et Halidou Moukaila. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de quatre braconniers à Zender qui opèrent sur des motos dans la réserve protégée de Tintouma. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Alhaj Mohamedou Souleymane directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Alagé Mohamed Souleymane. Bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste freelance. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, docteur. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par la réunion vendredi 3 juillet 2020 à Niamey du Conseil national de dialogue politique CNDP. Initialement prévu le 1er novembre 2020, les élections locales auront finalement lieu le 17 janvier 2021 selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante nigérienne. L'annonce a été faite par le président de cette institution, Maître Issa Kassuna, lors de cette session extraordinaire du CNDP, le Conseil national de dialogue politique. Ainsi, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives aura lieu le 27 décembre 2020 et le second tour le 21 février 2021. C'est l'annonce faite par le Premier ministre nigérien et président du Conseil national de dialogue politique CNDP au cours d'une conférence de presse samedi 4 juillet en à la suite euh, de cette annonce, euh, Brigitte Raffini a appelé l'opposition à mettre fin au boycott du processus électoral en cours. On l'écoute. La CENI, euh, comme cela lui a été demandé à l'issue de la séance précédente, est venue avec une proposition de date, le 17 janvier. Plusieurs partis politiques ont émis le vœu d'organiser ces élections locales avant les élections générales. Cependant, comme nous sommes tous d'accord que la CENI doit travailler en toute indépendance, nous devons nous abstenir de lui faire la moindre injonction. C'est la réalité à laquelle est confrontée la CENI qui compte. Mon vœu ne compte pas, le vœu de personne ne compte, c'est le travail de la CENI. Je le répète le président de la République, le gouvernement n'ont fait et ne feront aucune injonction à la CENI et ils exigent des élections honnêtes et transparentes. Alage Mohamed Souleymane, que peut-on retenir au sujet euh, de la réunion du Conseil national du dialogue politique du vendredi passé et de la synthèse de la réunion euh, dressée samedi par le Premier ministre Boutigirafini euh, Merci bien, Mokhtar. je constate que la CENI était venue justement avec d'autres propositions elle a tenu compte, disons, du CNDP, je crois, du 12 euh, euh, juin. Euh, alors où, en ce moment, elle a considéré que le local pourrait ne pas se tenir et aussi le vote de la diaspora. Mais on se rend compte qu'il y a une évolution parce que au moins, elle propose une date, le 17 janvier, pour les élections locales. Euh, même si par ailleurs certains ont pensé qu'on pourrait les jumeler avec les élections euh, présidentielles second tour. Il dit que euh, techniquement, elle peut le faire donc séparément le 7 janvier, même si par ailleurs, c'est encore un débat. on se rend compte sur la question du vote de la diaspora, la CENI semble dire qu'elle pourrait le faire en fait de que la situation le permettra, à savoir que ils peuvent toujours faire une élection partielle euh, donc, euh, pour que les députés de la diaspora puissent euh, rejoindre le Parlement. Mais après, après toutes ces élections-là Bon, en fait, ici, vous savez, cette question-là, souvent, je considère que, moi, il faut être réaliste de mon point de vue. La situation du Covid, c'est une réalité. Aujourd'hui encore, il y a une sorte de rechute. Les pays sont encore en train de vis encore davantage. Absolument. Donc, euh, ce n'est pas en réalité une question de sentiment, mais la réalité, elle est là. Mamadou Souleymane, est-ce qu'on ne peut pas organiser des élections sur la base de la liste des, qui sont euh, à la diaspora, au niveau euh, des ambassades Non, en fait, le, on, a décidé de faire un fichier électoral biométrique où véritablement il faut éviter des votes multiples. C'est-à-dire que le cycle, classique, on ne peut plus parler en, ces termes. En fait, moi, je pense que ici, euh, ce que je pourrais comprendre de la logique de la CENI, euh, c'est-à-dire que je pense que la société euh, humaine, notre capacité d'intelligence à comprendre les choses, ce que on n'a pas dit, la CENI n'a jamais dit qu'elle ne fera pas ces élections. Mais il y a une circonstance qui est considérée comme force majeure la maladie du que ici, ici, si on peut établir la mauvaise foi de la CENI, on pourrait effectivement considérer qu'il y a un calcul. Mais objectivement, la situation, elle est encore là. Maintenant, en réalité, est-ce qu'il aussi y a d'autres alternatives euh, où on pourrait faire ce, ce et en tout cas une, une situation vraiment, euh, vraiment euh, alternative très, très crédible Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un débat qui est là à partir du moment où euh, on pourrait euh, le, euh, faire une élection partielle, donc on comprend la situation qui est créée du, Covid, ce n'est pas une invention de la CENI. D'ailleurs, le président de la CENI avait dit au CNDP le 12 juin que tout est mis en place, les équipes, ces équipes allaient, étaient en passe d'aller faire ce travail-là quand effectivement cette maladie a surgi. donc moi, de ce point de vue, je considère que euh, ne pas vraiment euh, faire euh, vraiment une tempête dans, un verre d'eau. C'est une question vraiment qui pourrait, qui pourrait se régler. Je ne pas justement le, droit des de, de de la 9e région. Mais il y a que, il faut comprendre qu'il y a une, une situation qui est là. Donc, bref, je considère que par rapport donc au dernier CNDP et au point de presse du Premier ministre, ce que il me paraît évident que le processus électoral se poursuit normalement dans la logique du gouvernement. On peut me dire qu'en réalité, tout est mis en place pour organiser ces élections. on se rend compte aussi, à l'évidence, les partenaires techniques, en tout cas, et financiers, soit avec la CENI, soit avec, euh, donc, en train d'accompagner le processus. Maintenant, l'opposition n'est pas là. Ça aussi, c'est une constante. Euh, euh, le premier a essayé de dire que lui, en tout cas, en tant que président du CNDP, il avait tout fait pour amener l'opposition. L'opposition ne, ne, voulait pas venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, euh, nous considérons en tant qu'observateurs que véritablement, il y a un problème à partir du moment où, d'habitude, euh, le CNDP arrive, euh, quelle que soit la fois, en tout cas, sur les questions électorales, à ce qu'on trouve un consensus. Cette fois-ci, ça a manqué. Et je pense que le pouvoir, le gouvernement, je pense que euh, a besoin, en tout cas pour la crédibilité, parce que tout le monde parle d'élections libres et transparentes, je pense que tout le monde voudrait euh, qu'il y ait en tout cas la personne de, tous. Euh, maintenant, l'opposition, l'autre aussi question qu'il faut poser en ce qui concerne l'opposition, en fait, qu'est-ce que l'opposition voudrait en fait en, en un système comme pour la chaise, pour la chaise vide Vont-ils boycotter ces élections dans tous les cas, euh, on se rend compte aussi, ils ont pris la précaution euh, de faire enrôler leurs militants, aussi d'être présents au niveau de la commission administrative, donc la CA de la, de, la CENI. Maintenant, euh, moi, je considère qu'il est grand temps, comme le dit le Premier ministre, en tout cas, il a insisté, sa main tendue, et qu'il appelle les opposants. Je pense que véritablement, il va falloir souhaiter, en tout cas, demander ce socio national, parce qu'en réalité, une élection euh, moi, mal fait, une crise post-électorale peut effectivement remettre en cause tout ce qu'on a comme euh, acquis. comme euh, Donc, bref, je pense que le débat, c'est que franchement, ça ne va pas à partir du moment où. parce qu'en fait, le système du CNDP, ce n'est pas la majorité, mais il y a des partenaires pour majorité opposition c'est-à-dire que ce n'est pas une, affaire de nombre. C'est le consensus. Absolument, c'est le consensus. Euh, ça a failli. Donc, vraiment, je pense que c'est gênant pour la classe politique parce qu'il n'arrive pas à, s'accorder. Issa Madougou, à la suite de sa communication, le Premier ministre Brigitte Raffini a appelé l'opposition qui n'a pas euh, d'ailleurs pris part aux réunions du CNDP, à mettre fin au boycott du processus électoral en cours. Comment comprendre cette attitude euh, de l'opposition, Issa Madougou Merci, euh, Mokhtar. Mais vous le savez très bien que l'opposition est dans une dynamique jusqu'au boutiste pour dire que sans satisfaction de leurs euh, revendications par rapport à la tenue. Euh, à la conduite du processus électoral, ils ne vont pas participer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport au caractère inclusif euh, de ce processus électoral. Mais néanmoins, on a vu maintes reprises le CNDP s'est réuni et c'est toujours le boycott. Ce qui veut dire que cet instrument n'est plus vraiment au même, à la même position d'hier, où cet instrument sert vraiment à, régler les différents politiques, acteurs politiques pour trouver un consensus afin euh, de, regarder dans la même direction. Mais l'opposition, moi je pense que, en âme et conscience, que il faut que les gens soient réalistes. Quelle est aujourd'hui la capacité de l'opposition à faire aboutir ses revendications Il n'y en a pas. Donc la politique de la chaise vide, ça a montré de tout le temps que c'est une politique qui n'a pas de résultat fiable. Donc, il faudrait songer vraiment à aller à un dialogue. Essayez quand même être, d'être sur la table. Vous posez vos revendications, vous discutez. Et peut-être que dans les discussions, au fil du temps, vous allez trouver un terrain d'entente. Mais à l'image actuelle, c'est-à-dire, ce qui est un peu même marrant, moi, c'est pour la classe politique qui est issue de l'ensemble de cette classe politique issue de la conférence nationale. Je pense que ce jour même du peuple nigérien, les gens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la CENI, ce ne sont pas les mêmes gens qui ont appelé leurs militaires à aller s'enrôler. Alors, de qui on se moque dans ce pays Vous refusez le dialogue entre vous, alors vous voulez maintenant mettre les gens dans les situations. Surtout, d'autres disent, ils clairement, nous, on ne reconnaît pas la CENI. Toi qui ne reconnais pas la CENI, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans un stand d'enrôlement biométrique vous voyez, il y a ce paradoxe-là que les acteurs politiques sont en train d'entretenir. Est-ce que Issa c'est pas pour monter un peu la surenchère Quelle en politique, non. Vous n'agissez qu'en fonction de vos moyens. Aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen pour aboutir à ce qu'ils veulent. Ils savent que aujourd'hui, leur seul, ils le, savent pertinemment, que pour aboutir, pour venir à bout de ce que eux ils estiment qu'il faut, ce sont des préalables pour leur participation. Il faut passer nécessairement par le dialogue. Mais ils le savent pertinemment qu'en restant chez eux, les élections vont se donner, puisque aujourd'hui, on a vu. Moi, quand j'ai vu récemment la donation du PNUD à la CENI, mais moi j'ai dit que ces gens-là, ils sont en train de se s'induire en erreur, puisque les partenaires sont là. C'est eux qui donnent leur argent. Et ils continuent de donner leur argent. Alors qui seront les perdants alors c'est pour cela que moi je pense que cette classe politique a toujours joué du peuple nigérien, dans son ensemble. Le CNDP, un temps, vraiment c'était un instrument modèle. Mais le CNDP, depuis un certain temps, c'est un instrument périmé. Qu'il faut, il faut vraiment il faut, il faut faire une mise à jour pour le réadapter vraiment au contexte actuel de comment fonctionne la classe politique dans son ensemble. Moi je pense que le mieux, pour l'intérêt des Nigériens, ce que cette classe politique aujourd'hui, pour nous garantir des élections dans un climat apaisé, c'est de se retrouver sur une table et de négocier et de discuter entre eux. De tout le temps, tout le monde sait que on a, on a eu un chef de gouvernement qui a dit que moi, je ne vais jamais présider le Conseil de dialogue politique parce que moi, j'estime que c'est une réunion des politiciens pour comploter sur le peuple, puisqu'ils n'amènent jamais sur la table les vraies préoccupations du peuple nigérien. Donc moi je pense que c'est en train de l'histoire en train de lui donner raison puisque ces gens se refusent aujourd'hui pour des choses qui sont utiles pour le peuple. De quoi le Nigérien a besoin C'est d'aller à partir de décembre où vont commencer les, jeux électoraux, que ça soit dans la tranquillité, que dans la sérénité, que les gens vraiment manifestent le jeu politique comme on le pense, comme on le voit dans d'autres pays, mais pas dans un contexte où ça serait tendu. Voilà moi comment je vois la situation. Hassan Boukara, le président de la République, Issouf Mamadou, s'est engagé à organiser des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. comment créer un fort consensus de la classe politique autour de ces élections Il y a quand même quelque chose qui est, qui est difficile, même si en réalité ce n'est pas surprenant. Quand je vois ce que dit le Premier ministre par rapport à l'opposition, je pense que la seule chose c'est peut-être les propositions de la CENI quant à l'organisation des élections locales en janvier, c'est peut-être ce qui est nouveau. Mais la position du, de l'opposition par rapport au CNDP et tout ça, c'est depuis peut-être 2016, 2017, ça fait quand même longtemps, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que l'opposition et la majorité ne se parlent pas. Aujourd'hui, euh, le gouvernement est aussi un peu coincé, puisque euh, le rôle d'un gouvernement, c'est aussi d'être capable d'organiser des élections euh, inclusives. S'il n'arrive pas à le faire, on peut certes dire l'opposition n'a pas collaboré, mais que le gouvernement aussi a échoué. Et euh, lorsque les élections se passent mal, je ne sais pas si c'est le Suleimani qui l'a évoqué ou Issa. La, crise post-électorale. Il, y, a une crise et c'est dans l'intérêt des personnes. Et donc, euh, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, mais aussi l'engagement du président, ce n'est pas nouveau aussi. Hein. Je pense qu'en 2016, il avait déjà dit que si les élections se passaient mal, ce serait vraiment. Il considère comme son échec personnel. Donc, euh, le fait qu'il le dise, ce n'est pas, ce pas nouveau aussi. Mais je pense qu'on est dans, un, dans une situation un peu, un peu compliquée, euh, qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui, qui persiste. Euh, je pense que pendant longtemps, le gouvernement a fait quasiment le pari de dire aussi qu'il peut diriger sans consensus. Jusqu'à présent, il l'a fait. Euh, pas seulement avec euh, l'opposition, je pense qu'avec les syndicats, avec la société civile. il est arrivé aujourd'hui à un niveau où il faut absolument montrer au moins ce qu'il a essayé. Donc, la sortie du Premier ministre consiste à dire si d'aventure tout le monde ne participe pas aux élections, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Il a rappelé par rapport aux différents articles, article 8, article 80 du Code électoral, sur lesquels l'opposition a posé des exigences, sur le fait qu'il y avait un comité ad hoc qui a été mis en place, auquel le Premier ministre a participé, etc. Et donc, euh, auquel l'opposition a participé. Alors, tous ces rappels visent à dire à la fois au Nigeria, mais aussi aux partenaires qui observent, qui aident le Niger à organiser ces élections, c'est aussi pour dire que euh, nous, en tant que gouvernement, on a fait de notre mieux, on a essayé de satisfaire les demandes de l'opposition. Si elle n'est pas venue aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire. Donc il y a ça, et l'opposition, euh, je suis d'accord avec Issa, euh, à quelques trois mois des élections, il parle euh, d'une semi-maison, je crois, d'une cour aux ordres et tout ça. Donc, euh, quasiment la dissolution de la CENI. Bon, tu, te dis, mais est-ce que vraiment euh, les élections auront lieu Est-ce que c'est réaliste dans trois mois Et quels sont les moyens qu'ils ont pour imposer, ils ont le droit, hein, ils ont le droit d'avoir la position qu'ils veulent, mais quels sont les moyens qu'ils ont pour pouvoir imposer ça Mais en tout cas, pour moi, la situation actuelle, ce n'est rien de nouveau, c'est la situation qu'on vit depuis 3 ou 4 ans, qui montre qu'il y a un régime qui a considéré à un moment qu'il était suffisamment fort pour gouverner sans consensus, une opposition qui dit, eh bien, euh, on ne part pas faire le faire valoir dans des réunions du CNDP où on n'a pas la position de faire prévaloir nos points de vue. Maintenant, on est arrivé à un niveau où personne ne peut accepter une crise électorale au Niger. Euh, nous sommes dans cet espace sahélien, où on vit déjà des crises qui menacent tout le monde, la crise sécuritaire, on voit que ça débouche sur une crise institutionnelle au Mali, on voit tout ce qui se passe au Tchad, ailleurs. Et donc, au Niger, je pense que ni les partenaires au développement, ni euh, les Nigériens euh, en tant que citoyens de ce pays, on ne doit pas accepter une crise. Et donc, ça met aussi le gouvernement sous pression. Il faut bien qu'il montre qu'il a joué sa partition et que demain, si d'aventure on n'a pas une participation de tout le monde. Si d'aventure il y a une crise, qu'on sache situer les responsabilités. Moi, c'est comme ça que j'ai lu la sortie du Premier ministre. Euh, quant à l'engagement du président, bon, c'est l'engagement d'un acteur politique. Je crois que j'ai déjà entendu ça, moi. Sur tout un autre plan, la Cour d'appel de Niamey a rejeté mardi la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats euh, de la société civile nigérienne Moudi Moussa, Mekul Zodi et Halidou Moukela, euh, tous poursuivis pour organisation d'un rassemblement non autorisé et complicité dans la dégradation des biens publics, incendie volontaire et homicide involontaire. Ces trois activistes ont été arrêtés entre le 15 et le 17 mars 2020 à la suite d'une manifestation à Niamey interdite par les autorités. Hassan Boukar, euh, que doit-on savoir au sujet euh, de ce feuilleton judiciaire impliquant euh, ces trois acteurs de la société civile nigérienne alors, Mokhtar, vous posez la question que je me pose moi-même. <laughs> Qu'est-ce qu'on doit savoir Parce que non, au, fond, une décision de justice est une décision de justice. Donc, euh, normalement, une décision de justice. Euh, Mais vous pensez que le mardi, euh, ces acteurs-là devraient être libres Oui, pour moi, c'était mon souhait. Ils devaient être libres. Ils devaient, moi, pour moi, d'abord, ils ne devaient pas être en prison. Ils sont retrouvés en prison. Ils devaient être libres depuis longtemps. Ils n'ont pas été libres quand on a vu certains d'entre eux, puisqu'ils n'étaient pas les seuls, d'autres étaient en prison. Quand j'ai vu d'autres par exemple le secrétaire de alternative euh, bénéficie de provisoire, oui. Nous, voilà, nous, par exemple, n'a jamais été arrêtés. Euh, arrêté et donc euh, c'était bien. Alors pour moi, tous auraient pu être dans la même situation que nous, ne pas être arrêtés. Et puis, donc, c'est ce que moi, moi j'ai souhaité. Malheureusement, aujourd'hui, les trois que vous avez cités, ça fait des mois qu'ils gardent prison. Je pense que la difficulté pour les citoyens, c'est de, pouvoir comprendre une décision de justice. À mon avis, normalement, une décision de justice aussi, si elle n'est pas suffisamment claire pour les citoyens, elle suscite des spéculations. Une décision de justice doit être claire, motivée, avec, euh, qui permette à tout un chacun de comprendre. Par exemple, on se disait, bon, euh, ils sont tous dans la même situation, mais on a l'impression que les traitements ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est un questionnement que moi, j'entends souvent autour de cette affaire. Et à la date d'aujourd'hui, personnellement, il est difficile pour moi de dire pourquoi ils continuent à garder prison je ne sais pas vraiment. Je peux simplement vous dire qu'une décision de justice peut être attaquée à travers des procédures prévues par la loi, euh, justement par les, personnes qui veulent l'attaquer. Mais à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire euh, pourquoi ils sont en prison, pourquoi certains ont été en prison, ont pu recouvrir leur liberté, ne serait-ce qu'une liberté provisoire, et que d'autres gardent. Vraiment, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. Issa Madougou, quelles seront les suites judiciaires au Niger au sujet de cette affaire, au vu des charges retenues contre eux ben Écoutez, <laughs> comme euh, Hassan Boukara a eu à le dire, mais c'est une décision de justice. Mais euh, en réalité, le mardi, tout le monde s'attendait à ce que ces acteurs soient libres, puisque oh, c'est vrai, ils ont été arrêtés dans le cadre d'une manifestation qui a été interdite, dont l'interdiction même euh, n'a pas été très claire, puisqu'il y avait assez de cafouillage, d'incompréhension, parce que c'est ça aujourd'hui. Les manifestations, l'interdiction des manifestations au niveau de la ville de Niamey, quand je parle sous le contrôle des, des, des, des juristes, euh, on ne sait pas qui est qui, qui est habilité euh, à le faire. À l'heure actuelle, du moment du, du, du, statut actuel de la délégation spéciale de, de la ville de Niamey. Avant, si c'était un maire, euh, on allait comprendre directement. Et de la manière même dont les interdictions sont communiquées, il y a une voie légale, administrative, qui a ah. été défini, bien donné. Ce n'est pas avec. Euh, à la radio ou bien sur les réseaux sociaux qu'on apprend l'interdiction. Et, les gens s'appuient sur des, des, faits qui. Ils font le lien directement sur une autre décision. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour, euh, puisque c'est la manifestation, c'est dans le cadre du Covid où certaines mesures ont été prises. Alors, ah, la ville de Niamey a pris sa décision. Donc, jusqu'à la veille, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, au regard du, euh, du contexte actuel du Niger, le Niger euh, qui s'apprête à organiser des élections régionales, la première alternance démocratique euh, au Niger. Donc ça doit se tenir dans des conditions vraiment où on dira que ah, les droits de l'homme sont respectés, euh, aucun libertés d'association, de manifestations sont garanties. Euh, aucun Nigérien n'est en prison injustement. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a ce rejet de la demande la liberté provisoire, c'est il n'y a pas tellement de, motivation expliquée euh, par rapport à cette décision. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens dans l'opinion ont un sentiment d'injustice à l'égard de ces trois acteurs. Et c'est ça aussi la problématique. L'ambiguïté, il faut donner assez, puisque il y a tout, c'est un arsenal qui existe. On n'invente rien. Rien n'est inventé, mais ça existe déjà. Il suffit seulement de passer par là, par le courroie et déterminer pour que les gens, les uns les autres, puissent avoir une bonne Vous aussi, vous pensez que ces acteurs ne devraient pas aller en prison Non, du moment où, aujourd'hui, je ne peux pas revenir ce qu'a dit Abadi, d'autres qui ont été arrêtés dans les mêmes circonstances ont été libérés. Alors pourquoi qu'on nous dise clairement c'est quoi. S'il n'y a pas cette communication, et c'est pour cela qu'on est parfois tenté aussi d'aller dans la même compréhension que certains qui qui dit que non, c'est une telle personnalité qui est derrière ça, une telle... Parce que, Oui, parce qu'il y a, y a trop d'ambiguïté. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'aller parfois dans cette compréhension. Parce que s'il y avait tout est clair aujourd'hui, si euh, le mardi dernier, les motivations ont été bien expliquées, par rapport au, régime de la demande de, liberté, de liberté provisoire. Je pense qu'on n'aurait pas aujourd'hui tous ces débats qu'il y a autour. Parce que quand à écouter les uns les autres par rapport à, ce, à cette situation, les gens parlent plus d'injustice, d'un acharnement. Mais une décision de justice, c'est une décision de justice. On ne peut que s'en tenir à ça, même si ça peut être attaqué autour. Mais moi, je pense qu'il est temps, le contexte actuel du Niger, euh, impose à ce que ces gens-là recouvrent leur... Tous ceux pas eux seulement, mais tous ceux qui ont été arrêtés dans des conditions un peu pas tout à fait orthodoxes, qui soulèvent des interrogations quant à la, la liberté d'association, la liberté d'expression, ces gens puissent être relâchés, de retrouver leur famille. Mohamed Suleiman, euh, quelle est votre opinion au sujet euh, de ce rejet de la demande des mises en liberté provisoire formulée par les avocats des acteurs de la société civile euh, nigérienne, Moudi Moussa, Zodi et Moukaila Halidou euh, Dans le traitement de ce dossier, moi, ma première surprise avait commencé d'abord euh, par le fait que Noah Arzeka n'était pas arrêté avec les autres. Parce que non seulement il était en aval comme en amont dans tout ce qui s'est fait, et même la veille euh, de cette euh, manif, je l'ai suivi dans un débat sur la RTT. Il a clairement euh, conforté sa position dans la même logique que les autres et vraiment de manière très claire. donc déjà, le fait que lui a été laissé, en tout cas, ça pose beaucoup d'interrogations puisqu'il était acteur majeur quand même dans ce qui s'était passé, ce qu'on leur reprochait. Donc deuxième chose, effectivement, lorsque les Moussa Tchangaron aussi, euh, la liberté provisoire. Euh, en fait, eux-mêmes, j'ai entendu Tchangari, j'ai vu sur Facebook, il s'est exprimé, lui, il ne comprend pas, n'a pas d'explication. Et en tant qu'activiste, il a un sentiment de désolation, euh, c'est-à-dire qu'il est gêné que ses camarades de lutte soient gardes de prison pendant qu'ils soient libres, alors qu'on leur reprochait euh, la même chose. Donc l'un de l'autre, franchement, c'est une euh, interrogation légitime des citoyens. Pourquoi ce deux poids, deux mesures Pourquoi justement libérer certains qui ont été dans les mêmes conditions, on leur reproche la même chose euh, Pourquoi D'habitude, euh, c'est le juge retient quelqu'un lorsqu'il n'a pas de garantie, en tout cas, il, il pense qu'il va fuir. Tous ces trois qui sont actuellement en prison, c'est des pères de famille, euh, c'est des gens, je pense, qui n'ont pas intérêt à, quitter le pays, à fuir. Pour Donc, bref, euh, je pense que ici, euh, le vrai débat, tout à l'heure, Issa avait évoqué la question. la question de liberté publique, c'est un vrai débat, je pense que peut-être qu'avec le jeu électoral à venir, euh, c'est l'occasion justement... Euh, pour décrisper euh, un peu l'atmosphère. je veux dire qu'en réalité, le plus souvent, le pouvoir en place, vous allez voir, une autre équipe va émerger demain, un autre gouvernement en place, ils vont avoir un peu d'hostilité à autoriser les gens à manifester. Donc c'est un vrai débat et c'est des libertés fondamentales. Cela veut dire que ce débat, si seulement la société civile où les défenseurs des droits, humains, en tout cas, peuvent aussi faire entendre euh, leur voix. Ça, devrait être aussi des engagements à faire prendre aux candidats. Euh, mais bon, euh, je me rends compte que la seule raison, c'est que le gouvernement, en tout cas, dans la logique du pouvoir, les gens ne voudraient pas souvent, vous avez parlé, souvent, souvent il y a des, des manœuvres. Ils savent, moi je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. L'actuel délégué celui qui doit jouer le rôle de, du maire. Vous avez vu ce que les gens euh, avancent comme argument. Oui, il y a eu un conseil des ministres euh, qui avait dit que, bon, voilà, tout simplement, mais les gens considèrent que, puisque administrativement, c'est pas le, euh, pas de l'Intérieur. Hein, absolument de le faire. Donc, mm. les gens, par, exemple, moi, en tant que profonde de droit, pour moi, un conseil des ministres, ça s'impose à tous. Mais techniquement, les juristes vont te dire que non, et c'est que l'introduction devrait venir justement de, de la mairie, donc du délégué spécial en tout cas, qui doit faire un acte clairement. Et le plus souvent, on attend à la dernière minute, en tout cas, et la loi est claire, il fallait notifier aux gens d'avance avec un délai bien déterminé, mais on ne le fait pas. Donc, je pense que véritablement, euh, c'est une question euh, très importante. Euh, le débat doit être posé. je pense qu'il va falloir, si cela, en tout cas, euh, au niveau des forces vives, les gens peuvent imposer véritablement qu'il y ait une attitude claire de tous les pouvoirs qui seront en place. C'est seulement cela qui fait on, peut justement euh, euh, avancer. Mais je constate que véritablement, tous les temps, les gens ont des difficultés. Je veux dire que le gouvernement actuel, comme le gouvernement précédent, ils ont, tendance à bafouer les libertés fondamentales. Alors que quand on regarde euh, là où nous sommes, l'état du lieu, c'est vraiment une régression euh, dans, dans, la marche démocratique du Niger. Euh, Hassan Boukar, rapidement. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, quelquefois, les gens, les gens pensent que c'est un problème de texte. Je pense que les textes sont assez clairs, les textes ont établi le rôle, les procédures, mais c'est vraiment une question de volonté politique. Lorsqu'un gouvernement veut promouvoir les libertés publiques, il, peut le faire. Mais lorsqu'un gouvernement ne veut pas promouvoir les libertés publiques, s'il considère que sa gouvernance ne peut pas aller de pair avec les libertés publiques, il se donne tous les moyens pour piétiner les, textes. je pense que ce qui arrive dans notre pays, c'est vraiment ce cas-là. 40 gazelles d'orca ont été massacrées par des braconniers dans la réserve protégée de Tintouma, région de Zander. Les quatre braconniers qui opèrent sur des motos ont été arrêtés. Euh, les détails avec euh, le colonel Ibrahim Nakatabello, euh, directeur régional de l'environnement de Zander, au micro de Mustafa Mamansani. Il y a quatre personnes qui ont été arrêtées suite à ce massacre. Il y a 40 individus de gazelles d'orcas qui ont été abattus. 28 têtes de gazelle euh, d'orcas récupérées. Il y a 20 carcasses de, viande complète qui ont été saisies aussi. Il y a 7 pots de gazelle d'orcas saisies, 4 motos saisies et une importante quantité de morceaux de viande, euh, ça aussi, qui a été saisi. D'ores et déjà, donc, un PV de constatation d'infraction a été déjà élaboré. Cette réserve de renommée internationale fait l'objet d'un accord de partenariat entre euh, notre pays à travers le ministère de l'Environnement et la délégation Noé par rapport à sa gestion qui a été concédée sur une période de 20 ans renouvelable. Donc, ce qui veut dire que vraiment, c'est l'occasion pour vous et le secrétaire général du ministère d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux investissements massifs qui sont en train d'être apportés à notre pays dans le cadre de la gestion de tout ce qui est la faune sauvage dans notre pays et la biodiversité végétale et animale en question. Issa votre commentaire après avoir suivi euh, le directeur régional de l'environnement du Zander. C'est une catastrophe, puisque moi, <coughs> de tout le temps, je suis de ceux qui disent qu'il faut que nous investissions également dans la protection de l'environnement, de cette richesse qui peut, on peut tirer. Est-ce qu'il y a des insuffisances au niveau des textes ou bien le manque de volonté pas tellement, euh, Ce n'est pas tellement ancré dans les priorités des Nigériens, la défense de l'environnement et de la biodiversité. Ce n'est pas tellement ancré dans nos habitudes, nos revendications, notre quotidien. Sinon, c'est des choses qu'on peut tirer même profit. On peut, on peut se faire l'argent sur ça. Par exemple, si ces zones-là sont bien protégées, c'est qu'on peut même faire du tourisme là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de la Tanzanie le nombre de touristes, malgré que aujourd'hui eh, les voyages avec euh, la Covid-19, les voyages sont interdits, ils, sont, ils ont toujours des bénéfices qui sont en train de, euh, de, de, de dépasser. Mais ça pose aussi un autre problème par rapport à l'association Noé depuis des années, on vous a donné pour 20 ans. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement Parce que si vous n'avez pas les capacités de contrôler, si l'État vous concède la gestion, ce qui veut dire que vous avez assez de moyens. C'est aussi une zone, une zone très vaste. Non, non, non, non, non, non, c'est délimité. Quand on dit c'est très vaste, ça ne veut pas dire que c'est comme c'est le désert du Ténéré. Non, c'est délimité. On connaît la superficie. Moi, j'ai oublié la superficie totale. On connaît la superficie. On sait comment c'est limité par de tous les côtés. Alors, si on vous donne la gestion, voilà. Si on vous donne la gestion, c'est qui veut. Non, ils ont pris la gestion parce qu'ils savent qu'ils ont les capacités de le faire. Alors, si des gens peuvent pénétrer aujourd'hui, ils ont tué 40 individus. Mais c'est-à-dire, c'est des, des orcas. Les orcas, c'est une race recherchée qui est même en voie de, disparition dans certaines zones. De, euh, oui. Donc, s'ils peuvent aller opérer ces Gens, en moto. Ce qui veut dire que Noé ne fait pas pratiquement son travail. Si Noé fait son travail, on aurait pu faire recours aux Rangers qui ont été puisqu'il y a des Nigériens aujourd'hui, Dieu merci, qui ont eu à faire des formations de Rangers par rapport à la protection de la faune, qui ont les capacités, il suffit de les mettre dans les conditions de travail pour que. Mais ça, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Environnement qui devrait revoir son contrat avec Noé. Parce que si c'est des des, gens à moto peuvent le faire. Imaginez des gens qui ont des véhicules, qui peuvent disparaître, soit dans le nord pour aller vers euh, la région d'Agadez ou bien aller dans d'autres parties du Niger rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je pense que ça pose aussi, euh, euh, ça impose à notre gouvernement aujourd'hui de trouver des moyens, des mécanismes pour que ces zones-là, ces genres de zones qui existent, puissent être protégées. Nous en avons plusieurs dans ce pays. Quand vous prenez non loin, il y a la, forêt de Gadbeji euh, où les girafes ont été transportées. Alors là aussi, ce qui s'est passé ici mérite encore à ce qu'on porte une attention particulière à cette zone pour que les girafes là ne soient pas aussi victimes de braconnage. Puisque on a l'habitude de dire que le plus souvent, le marché des produits du braconnage, c'est le Nigeria. Et le Nigeria est proche. Alors si les gens sont tentés, ce qui veut dire qu'il y aura une libre circulation et une rapidité d'avoir accès à ces zones et de revenir sur les marchés. Donc moi je pense que c'est la question est toute là. Aujourd'hui, il faut que aussi les associations, pour terminer, de défense, euh, de droit de l'environnement, de la biodiversité, aujourd'hui fassent en sorte que leur plaidoyer ne, se limite seulement pas à la recherche de financement, mais faire leur plaidoyer à ce que les Nigériens puissent intérioriser ce combat dans leur comportement et dans leurs revendications au quotidien. Elage Mohamed Souleymane, comment expliquer l'attitude de ces braconniers dans une réserve aussi protégée comme celle de Justement, je, ma réaction, c'est un peu comme le disait Issa, je me suis posé la question, euh, est-ce que véritablement euh, cette ONG a vraiment assumé toute sa responsabilité en termes euh, donc, euh, de sécurité et d'appui dans ce sens euh, pour éviter en tout cas ce qui a annoncé comme cas élément de dégâts, c'est vraiment assez important. mais je pense que l'autre aspect le plus important, c'est d'abord la sensibilisation des populations parce que le phénomène de braconnage, euh, c'est des habitudes qui insistent les gens, ces chasseurs-là, en tout cas les gens au niveau dans, dans, les là, pensent que c'est naturel euh, d'aller chercher la viande sauvage. Euh. Vous voyez un peu ce que ça fait comme en termes de mentalité, lorsque effectivement les gens ne voient pas souvent la présence de l'État. donc je pense que peut-être qu'avec cette action, la sanction lourde, une sanction en tout cas lourde, euh, donc infligée. vous pensez que aux, ces doivent être lourdement sanctionnés euh, Je pense que si tant est qu'on peut souvent prêcher la vertu par l'exemple, effectivement, lorsque les gens apprennent qu'un tel, euh, par rapport à tel délit, voilà ce que c'est cela coûte en termes de peine, ça peut décourager. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas la sanction, c'est aussi en réalité la sensibilisation, communiquer davantage, expliquer aux gens. Par exemple, ceux qui sont identifiés comme braconniers, entre guillemets, professionnels, parce qu'en réalité, <laughs> c'est déjà une activité illicite. Donc, essayer de les, peut-être de faire des appuis pour les amener à changer eh, d'activité. Qu'il y ait des activités, euh, en tout cas de revenus. Parce que vous voyez, en fait, en réalité, si c'était pour leur consommation, on n'allait pas découvrir toutes ces carcasses-là. Donc, en réalité, le but, et ils font vraiment du business avec ça pour se faire de l'argent. Je pense que, franchement, euh, le, la solution qui me semble en tout cas la plus, c'est travailler justement en termes de sensibilisation, en termes d'appui à ceux, effectivement, ceux qui s'adonnent en tout cas à cette, activité et vraiment des appuis, peut ça peut être la solution, en tout cas peut-être euh, euh, globale. Hassan Boukara, euh, comment mieux protéger la faune et la flore dans toutes les réserves au Niger À mon avis, il faut faire ce qui Suleiman a évoqué, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut... Je pense qu'il n'y a pas meilleur gardien que la communauté. Il faut que les gens arrivent à comprendre tout l'intérêt qu'ils ont à préserver la biodiversité, préserver la faune, etc. Il faut leur expliquer, par exemple, que c'est des espèces euh, menacées. Les gens ont l'impression que, bon, tu vois une biche, tu, tu, une biche, tu peux en tuer 10. Les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas infini ça finit. Et, donc, c'est seulement les statistiques qui permettent de savoir que c'est une espèce en voie de disparition. Il y avait peut-être 200, 300, il y avait des milliers d'individus. Aujourd'hui, c'est... Alors, il faut, il faut expliquer, il faut sensibiliser les, communautés, mais il faut aussi que l'État se donne les moyens de, protéger ces espèces-là. Alors, on a demandé à une ONG euh, française, je crois, de, faire ce travail. Est-ce qu'elle a les moyens Est-ce qu'elle a la capacité Je pense que le territoire doit quand même être vaste. Hein. C'est assez vaste. Alors, est-ce qu'elle a les moyens de le faire Si elle n'a pas les moyens, quelle est la nature du contrat C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, elle, en tant qu'ONG euh, qui, qui, qui, vise à protéger cet espace Est-ce qu'il y a aussi un rôle pour l'État dans ce contrat-là C'est-à-dire que plus c'est vaste, plus euh, il faut quand même que l'État puisse aussi euh, intervenir et tout ça. Il faut sanctionner, mais il faut surtout sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent qu'ils ont vraiment intérêt à préserver ces, espèces-là. Je pense que notre pays en a, besoin. Et il faut que, comme Issa l'a dit, les, autres acteurs, hein, la société civile, les ONG, il faut vraiment travailler. Il faut travailler les mentalités. Ça va prendre du temps, mais il faut vraiment travailler les mentalités. À mon avis, le respect, la protection de ces espaces est, est lié et dépend de ça. Il faut travailler les mentalités. Voilà, nous sommes au terme de ce forum Dissidio studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukara de la radio alternative, Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter et Issa Madougou, journaliste freelance. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité au programme Dissidio studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes et en cinq langues suivi de tous à la Fada. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma sur la délinquance juvénile. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seine Isaka et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.